le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum Il 18h passé de 15 minutes à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu a pour thème Fin annoncée du franc CFA dans les huit pays de l'UMOA, conséquences, défis et attentes des populations. La France a entériné officiellement mercredi 20 mai la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler ECO. Le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, rapporte le journal Le Monde du 21 mai. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, le plus souvent dénoncée par euh, ses opposants comme euh, colonialiste et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme euh, l'un des vestiges de la france africaine. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français, obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. Dans cette émission, nous recevons des personnes ressources pour une analyse des enjeux de ces changements autour de la monnaie du franc CFA. Nos invités sont Soli Abdoulaye, économiste. Soli Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Et Moussilou Malansita, président de l'ASA ANDC. Moussilou Malansita, bonsoir. bonsoir, monsieur. Au microphone, Mokhtar Hamadou. le 21 décembre 2019, les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine et la France avaient décidé de cette réforme du franc CFA qui va changer de nom pour s'appeler l'ECO en 2020, avait annoncé le président ivoirien Alassane Draman Ouattara en présence du président français. Et le 20 mai passé, la fin du franc CFA a été annoncée en France. Quels sont les changements réels à saluer autour de ce processus. Merci, Monsieur Mokhtar. Je remercie Studio Kalangou pour euh, vraiment chaque fois m'inviter et venir euh, éclairer l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre euh, de sujets pour lesquels nous avons un peu, un peu de connaissances, n'est-ce pas Alors, la première des choses que je dois dire, c'est que au tout début de ce processus, il n'y avait pas eu les huit pays de l'UMOA avec la France, mais il y a eu la Côte d'Ivoire à travers Alassane Ouattara et la France à travers Macron qui ont décidé de surprendre les huit pays ou les sept autres pays de l'UMOA sur leur intention de faire bouger les choses en ce qui concerne le franc CFA. C'est ça la réalité. Comment expliquer ce revirement soudain euh, Ce revirement soudain est expliqué par plusieurs raisons. Il y a d'abord une sorte de levée des boucliers par rapport au franc CFA, par rapport à cette domination, comme vous avez dit dans votre sommaire, cette domination économique de la France et monétaire que la France nous fait déjà, ça fait 75 ans. Et vous n'êtes pas sans savoir que, à travers euh, l'Afrique, à travers le monde, il y a une certaine euh, classe politique, intellectuelle et une classe de la société civile qui est en train de se remonter, donc de dénoncer toutes ces, manigances qui sont autour du franc CFA. N'est-ce pas Il y a eu même euh, un exemple d'un billet qui a été brûlé, d'un de 5 000 qui a été brûlé à Dakar, si vous vous rappelez. Par des activistes. des activistes de la société civile, donc qui veulent vraiment qu'on finisse avec euh, cette affaire de tutorat de la France. Ensuite, il y a aussi eh, eh, le fait que l'accord qui nous lie avec la France, donc l'accord monétaire là, doit prendre fin en 2020. Parce que c'était un accord qui a été signé en 1945, donc qui doit normalement durer 75 ans. Et en, 2019 ou 2020, il est arrivé à terme. on, on doit renouveler. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a un autre mouvement, une autre aspiration des peuples africains à travers la CDAO qui a décidé de changer, de muter pour aller vers une monnaie unique de la CDAO qu'on appelle ECO. Donc là aussi, c'était une raison fondamentale qui a poussé la France à travers Ouattara pour qu'il capte toutes ces, idées et particulièrement ce, ce, mouvement, cette transition qu'on doit faire vers l'écho de la CDAO pour donc casser l'élan et des activistes et des intellectuels qui travaillent euh, euh, dans ce domaine et des, chefs d'État de la CDAO pour donc euh, empêcher de faire vraiment évoluer normalement l'écho dont les chefs d'État et la CDAO voulaient aller vers. Souli Abdoulaye, quelles sont les conséquences directes de ce changement Les conséquences directes de ce changement, d'abord, c'est de nous retarder dans notre aspiration à aller vers l'écho, le vrai, de la CDAO. N'est-ce pas Deuxième conséquence, c'est de créer des troubles dans les esprits des gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont débutatifs par rapport à cette question de la monnaie. Est-ce que c'est l'écho de, de, la CDAO ou bien c'est un écho On ne sait pas. Donc, en créant toute cette situation-là, la France va chercher toujours à avoir son emprise sur nos économies à travers la monnaie parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, selon vous, il n'y a aucun changement Il n'y a, pas, eu de changement le seul changement, c'est le changement de nom. Voyez-vous Parce que qu'est-ce qui fait une monnaie La monnaie, elle, elle est faite à travers d'abord sa garantie. N'est-ce pas Qu'est-ce qui garantit cette monnaie-là Deuxièmement, à travers sa convertibilité. Est-ce que c'est une monnaie flexible qui, qui est convertible en, plusieurs, avec plusieurs monnaies fortes dans le monde, ou bien c'est une monnaie qui est convertible par rapport à une seule monnaie. Donc quand vous prenez l'accord aujourd'hui, on a dit que la France a quitté les différentes instances décisionnelles de, la, BCAO. Donc elle n'est plus dans le comité technique de gestion monétaire, elle n'est plus dans le conseil d'administration, la CDAO, ça c'est un. Deuxièmement, on va prendre nos réserves du, compte des, opérations du Trésor français pour les amener à la BCAO. Troisièmement, la garantie sera faite par la France et l'écho sera euh, arrimé à l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui garantit une monnaie C'est des devises, c'est l'or, en fin de compte. Or, quand on dit que la France est le garant de notre monnaie, de l'écho là, ça veut dire que les devises que, nous, que la France nous prenait, les 50% de nos devises, donc euh, de nos, biens à l'exportation que la France nous prend pour renflouer les trésors français, c'est ça la garantie qu'elle faisait du franc CFA. Or, si on dit que la France est toujours garante et que euh, les devises là que nous déposons au trésor français doivent revenir à la BCAO, mais c'est toujours la même chose, la France va les récupérer par une autre voie qu'il soit euh, euh, basé à, Dakar ou ailleurs, c'est toujours sous le contrôle de la France. Nous n'avons pas le droit d'utiliser ces fonds. Donc déjà, la garantie, c'est ça qui fait donc que nous n'avons pas encore eu et euh, la liberté par rapport à notre monnaie et nos devises que nous, devrons on, suppose que nous ne devrons plus les, déposer, on va toujours les déposer. Ensuite, dans l'accord que j'ai ici avec moi, la France, dans un article, a prévu que un certain nombre de choses doivent être. Par exemple, si vous prenez au niveau euh, de, la relation, au titre 3 de l'accord, relation entre le garant et l'IOMOA. Article 4, il dit le comité de politique monétaire de la BCAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée en titre personnel par le Conseil des ministres de l'IOMOA en concertation avec le garant. Cette personnalité est choisie en fonction de son une expérience professionnelle dans les domaines monétaires, financiers et économiques. Ça veut dire que la France aura un poids à travers la désignation de cette Cet article-là, vous allez voir, celui qui va être choisi, c'est un Français. Qu'on va montrer que celui qui a toute donc, cette qualité-là, on va le choisir. Donc, il va encore revenir siéger au niveau de, euh, euh, la euh, VCAO. Donc, ce qu'on a enlevé là, la présence de la France qu'on a enlevée au niveau du comité technique, va encore revenir sur cette appellation-là ça veut dire aucun changement. Aucun changement. Moussil Malansita, quelle est votre opinion au sujet des conséquences de cette annonce de la fin du franc CFA Bon, merci, monsieur Mokhtar, pour euh, cette opportunité que vous nous donnez euh, de partager notre point de vue sur euh, ce sujet, quand même, d'intérêt national et au-delà africain. D'abord, comme le grand frère vient de le dire, hein, vous savez très bien que l'Afrique de manière générale souffre toujours continuellement de la dépendance, euh, surtout de la France. Parce que il est vrai que dans l'histoire des communautés des nations, pratiquement, y compris la France, tous les pays ont été sous le joug de la colonisation d'une manière ou d'une autre. Mais à l'avancée des choses, les colonisateurs ou ceux qui avaient eu la tutelle de, en termes de responsabilité de, ces pays-là, ont fait en sorte que, avec le temps, ils laissent, en tout cas, ces communautés prendre leur destin en main sans pouvoir faire une ingérence, que ce soit dans leur domaine politique, économique ou même social. Malheureusement, c'est la particularité de la France. Parce qu'aujourd'hui, la France estime que sa puissance est déterminée par ces pays colonisés et que d'ailleurs c'est ce qui souvent justifie son droit de veto au système des Nations Unies parce que lorsqu'on parle de la France, chaque fois la France se présente comme elle en tant que pays principalement, mais qu'elle a derrière elle au moins 14 pays qui sont pour le cas des pays africains. Vous voyez bien. Donc c'est ce qui fait que plus les générations passent, plus le sentiment en fait d'humiliation grandit et se nourrit. D'humiliation, j'allais dire, au sein des esprits des Africains, et particulièrement l'Afrique francophone. Et c'est ça qui expliquait que, à un niveau, le mot et femme, même est devenu une hantise dans l'esprit en tout cas de, toutes les populations de l'Afrique francophone. Et c'est pour ça que les gens estiment que le changement, rien que le changement du nom pour la plupart, est déjà une bonne, une bonne chose. Parce qu'on estime aussi que euh, il faut aller graduellement quand vous êtes dans des revendications. Il, faut n'est pas évident qu'on pense que on peut avoir satisfaction à 100% au même moment. Et c'est pour ça que vraiment les gens avaient salué l'avènement de la monnaie éco, parce qu'au moins, peut-être dans 5 ans, 10 ans d'exploitation ou de mise en œuvre, les gens vont un peu se débarrasser de cette hantise du franc CFA parce que c'est le mot même qui énerve, en tout cas la plupart des gens. Oui, Mousselman oui, allez-y. Maintenant, ce que je veux dire sur la question de l'écho, c'est qu'il faut reconnaître encore la République française qui tient coûte que coûte à s'ingérer dans la mesure où cette monnaie est l'émanation d'une concertation encore plus élargie à travers la CDAO. Et d'ailleurs, dont le nom ECO n'est rien d'autre que le diminutif du ECOAS CDAO en anglais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que sur tous les pays africains et particulièrement de l'UMOA, les populations averties se trouvent être trahies par certains de leurs dirigeants, à commencer Selon vous, ce changement euh, ne répondrait pas aux attentes des populations des pays concernés euh, Ce changement, dans les termes actuels que ça nous a été présenté, par, euh, comme il l'avait souligné, le président Ouattara et le président français, serait très loin de répondre véritablement aux attentes parce que la première attente que les populations espèrent, c'est une intégration véritablement africaine. Et dans la CDAO, à un moment, les gens pensent que peut être le leitmotiv de, cette intégration et qu'en travers cette monnaie éco, ou des pays, pratiquement à travers les pays, à, l'exception des pays francophones de l'UMOA ou de la CEMAC, dont certains ne sont pas dans la CDAO, ces pays-là, chacun a sa propre monnaie et qui ont un niveau de développement qui n'est pas égalé à celui des pays francophones. Et donc si le Nigeria accepte, au nom de du principe de destin commun et d'intégration africaine, d'abandonner sa NERA, le Ghana accepte d'abandonner euh, sa monnaie Sidi, euh, pour citer ces deux grands pays dans la CDAO, c'est quand même une fierté pour les Africains et pour la CDAO. Et c'est ce que la France a compris parce que lorsque le Nigeria et le Ghana seront dans cette communauté de monnaie, c'est que la France n'aura plus droit au chapitre pour nos pays africains. Et ce serait véritablement en ce jour-là l'indépendance, surtout des pays francophones et surtout nous de nos pays UMOA. Et ça, la France vous savez, il faut, il faut aussi comprendre ce jeu et n'est pas en train de dormir. Parce que eux, ils voient que ça, il va de la survie de leur État et de leur nation. Parce que lorsque véritablement nous, en tout cas les pays de l'UMOA, deviennent indépendants vis à -vis de la France et de sa politique monétaire, c'est que la France ne peut plus nous faire du chantage. Et parce que c'est à travers ça qu'ils utilisent pour faire du chantage, que ce soit à nos gouvernants, pour influencer même dans les politiques publiques. Et c'est ce qui fait que vous voyez très bien que toutes les politiques publiques de nos gouvernants de ces dernières années ne répondent pas aux attentes et aux aspirations des populations en matière de développement, malheureusement. Et donc c'est pour ça que nous disons que euh, ce que nous allons espérer d'abord à ce niveau-là, que les pays de l'UMOA, nos dirigeants vont essayer en tout cas de se rattraper. Parce qu'il ne faut pas euh, se présenter comme le traître de la communauté. Parce que vous avez vu le climat que ça a créé, le, grand frère l'a esquissé. Parce que déjà, ça, ça, a créé un climat de méfiance. Aujourd'hui, le Nigeria n'a plus confiance aux pays francophones. Et donc, la CDAO elle-même, si on y prend garde, ça va s'effondrer. Euh, parce qu'on n'a plus confiance à l'autre et c'est fini. Donc maintenant, même au niveau des décisions communautaires, pour que, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan social, ça, ça, ne peut pas aller. Parce que d'ailleurs, vous regardez aujourd'hui, rien que sur vous prenez le volet de libre circulation des personnes ou des biens, mais ce n'est pas, pas, pas effectif dans les pays, dans pays de la communauté. Et encore avec euh, ce comportement, surtout du président euh, ivoirien, parce qu'il est le président en exercice de mois. Donc les autres pays comme le Ghana, le Nigeria et les autres, ils n'auront plus confiance. Et alors que euh, ce projet, hein, il faut le dire, de la CDAO date depuis 87. Et ils qu'à partir de 2000 et qu'on est arrivé à partir de 2019, c'est devenu irréversible. Et que maintenant, la France a utilisé ce, canal de ces vallées pour pouvoir remettre en cause. Parce que la France, en fait, l'objectif, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est remettre en cause. Parce qu'il n'y a aucune garantie, en fait, que même l'écho, dans la zone IMOA verrait le jour à la date indiquée. C'est juste du dilatoire. En, juillet prochain. Non, c'est juste du dilatoire. Moi, en tout cas, jusqu'à ce que je vois, j'émets des réserves. Soli Abdelai, l'écho est le nom du projet de la monnaie unique des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. quelle nuance faut-il faire entre euh, les deux monnaies, l'écho de l'UMOA et l'écho de la CDAO D'abord, l'écho de la CDAO, comme vient de dire Monsieur euh, M. Sita, c'est le diminutif des ECOWAS qui est donc l'appellation de la CDAO en, anglais. N'est-ce pas Donc ce n'est pas de partir de rien. Maintenant, l'écho de euh, euh, la France et de, de l'UEMOA. <laughs> Moi, je préfère dire de la France et de Côte d'Ivoire, oui. Et, je ne sais pas donc, euh, lui, c'est quel écho C'est-à-dire, c'est le diminutif de quoi Ces lettres-là proviennent de quoi C'est pour cela que je vous ai dit que ils ont fait, c'est comme si vous avez paraphrasé quelqu'un. Ils ont pris ce nom, tout simplement, pour créer le doute et la confusion, n'est-ce pas, dans la tête des gens. Parce que d'abord, un, comme vient de dire tout de suite Sita, cette monnaie écho de, la France et de la, la Côte d'Ivoire ne verra pas le jour en termes de papier ou de pièces. Ça ne sortira pas. C'est le franc CFA qui va continuer jusqu'à je ne sais pas quand. C'est pour détruire un projet noble que la CDAO a. C'est pour le détruire. Vous comprenez Et tout de suite, vous, il, vient de dire qu'on a créé une sorte de méfiance entre les différents chefs d'État. Nous savons très bien que les chefs d'État africains, qui sont donc les chefs d'État des pays francophones, ils ne, peuvent rien dire. Ils sont plus tirés vers les chefs d'État euh, des pays anglophones qui ont plus de liberté, qui ont plus d'indépendance par rapport à leur prise de position sur toutes les questions, n'est-ce pas Alors, au, moins, le Nigeria et le Ghana sont en train de nous tirer vers le haut. Vous, comprenez Est-ce que vous avez entendu Je vous ai dit que la décision et la signature de cet accord-là a été faite ou a été faite par Ouattara. De façon unilatérale. Est-ce que vous avez entendu un seul chef d'État du pays de l'UOMOA qui a dénoncé cela Pourtant, ils savent que c'est comme ça. Parce que nous sommes dans un monde où tout se connaît. À, la minute près que vous proposez un acte, il s'est connu. N'est-ce pas La signature n'a pas existé. Quand j'ai lu un poste il y a quelques jours de cela. Quand la, France, le, gouvernement français ou l'Assemblée française a demandé la copie du document signé entre Ouattara d'abord et euh, euh, euh, Emmanuel Macron, pour, pour voir de quoi il s'agit, on leur a dit d'attendre, le document n'est pas prêt. Le document n'est pas prêt, pourquoi il n'est pas prêt Parce qu'il n'y a pas eu de signature. Ils ont venu faire une annonce dilatoire pour vraiment créer donc une sorte de mélancolie dans la tête des gens et puis voilà ils sont partis. C'est après qu'on est venu pour signer ce document que je suis en train de vous montrer et quand vous prenez même ce document vous allez voir au niveau de la signature de tous ces, de, de, de, ce document au niveau de la signature il n'y a qu'un seul monsieur dont le nom a été annoncé. Je n'ai pas cette euh, la, la page de la signature. Voilà c'est ici. Vous voyez bien on, a parlé de, pour le gouvernement de la République du Bénin, et, la signature d'un certain Ronald Ouadani, ministre de l'économie et des finances. Maintenant, pour tous les autres pays sauf la France, il n'y a pas le nom du ministre des Finances du pays qui a signé. Mais on a, la signature du, ministre qui est là, mais on n'a pas son nom. Ce qui n'est pas normal. Parce que ça, c'est un document quand même euh, qui a un, aspect international, qui a une portée juridique importante. Donc, dans tous les documents internationaux qui sont signés, on met la signature et le nom de celui qui a signé. Ça, c'est évident. Ici, il n'y a pas le nom de ces gens-là. Donc, ce document aussi, c'est un document qui est, en tout cas, à, douter donc de la pertinence et de la portée juridique. Monsieur Malacita, euh, pour vous, que faut-il en plus ou en moins aujourd'hui euh, pour l'affirmation euh, de certaines des anciennes colonies françaises d'Afrique en proie à la faim et au conflit Bon, vous savez, je pense que on ne peut pas continuer hein, à faire le procès du colonisateur dans la mesure où j'ai rappelé de manière historique que toutes les nations, d'une manière ou d'une autre, ont subi le joug de la colonisation. Mais c'est que à un certain moment, c'est l'esprit civique des populations elles-mêmes qui doit les tirer vers le développement, vers l'idéal d'une gouvernance qui répondrait aux attentes de tout le monde. Parce qu'avant tout, vous savez, nous, c'est pour ça que nous disons aux gens, avant qu'il n'y ait constitution, qu'on pense qu'aujourd'hui c'est la démocratie, on pense qu'il y ait des lois. Dieu a fait en sorte que les hommes ont vécu en communauté, en symbiose, en harmonie. Parce qu'il y a d'abord des règles, tout simplement morales, des sociétés que les gens respectent. Et lorsque vous avez en charge le destin d'une communauté, ça veut dire qu'il y a un certain comportement que vous êtes appelé à adopter pour garantir le bien-être de tous. Et maintenant, lorsque aujourd'hui on pense qu'on a évolué et qu'on a mis en place des canevas, parce que moi je les appelle euh, des canevas, c'est-à-dire euh, aujourd'hui dans l'ordonnance juridique on dit la constitution est diapason et que toutes les règles et les lois doivent y découler et s'y conformer. Bon, à ce niveau-là, il suffit juste que tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité respectent ces textes-là, selon en tout cas le degré d'engagement et de responsabilité pour l'intérêt de tous. Donc c'est pour ça que le problème aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas uniquement que le problème du colonisateur, mais c'est le problème des Africains eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont que faire des engagements qu'ils prennent. C'est ça d'abord qui est la problématique. Aujourd'hui, rien qu'avec le franc CFA, avec le minimum de ressources. Nous l'avons dit une fois, ça, remonte en 2013, qu'aujourd'hui qu'on dise que le trésor nigérien soit rempli que de dollars s'il n'y a pas des hommes responsables qui ont une, éducation civique réussie, qui dirigent le pays, la pauvreté ne finira jamais au Niger. Euh, Vous voyez bien. Euh, Donc c'est pour ça que la problématique de la gouvernance réside dans ce choix-là de la responsabilité et de l'éducation civique des hommes qui ont en charge le pays. Parce que, on le sait très bien, à un certain moment de l'histoire de nos États, même vous prenez le Niger, il y a eu quand même des moments où les gens estiment que le plus grand nombre se trouve satisfait. Dans l'administration, on n'a pas besoin de te connaître pour que ton dossier ou l'usage de service que tu demandes avance. Donc c'était des comportements qu'on avait. Et quand c'est des populations qui ont des difficultés, lorsque ces difficultés remontent à ceux qui sont chargés de les prendre en charge, vous voyez bien la manière. Parce que nous, nous avons fait comprendre aux gens, il ne suffit pas toujours. Ce n'est pas évident que si j'ai un problème, je viens chez toi, que tu peux le résoudre. Non, selon Mais vous, il faut que tu auras de mon problème, il faut déjà la... peut me me satisfaire. Vous voyez bien. Donc c'est pour ça vraiment, moi, je pense que hein, nous devons mettre fin à cette polémique de la monnaie, du procès du colonisateur. Il faut faire aussi la promotion de la bonne gouvernance selon vous. Voilà, c'est-à-dire vraiment, comme on dit, pour se refermer sur nous-mêmes, faire notre propre introspection et voir ce que nous pouvons faire de meilleur pour l'avenir de nos États avec le minimum qu'on a. Et là, à partir de là, l'indépendance reviendrait. Mais je vous dis, la France, sur un angle, peut-être je vais vous surprendre, la France est dans ses droits. Parce que la France est en train de lutter pour la survie de sa nation et de sa population. Donc tout ce que les États, et vous voyez bien, les gouvernants français sont en train de faire, comme nous, nous, le, comprenons ça comme la trahison, c'est de bonnes guerres par rapport à eux. Parce que regardez ce qui se passe en Europe. Entre eux, mais ils ne se font pas quartier. Aujourd'hui, si un ministre français détourne, aujourd'hui, si un ministre français manque à ses engagements, est-ce qu'en France, on lui pardonne ça donc regardez d'abord la manière dont leur société est en train de vivre, comment ils mènent leur vie à leur interne. Il ne faut pas prendre le procès par rapport à ce qu'ils nous font d'abord. Mais d'abord ce qu'ils font. Vous le savez très bien qu'entre eux, l'esprit de justice sociale, quand même, est de mise parce qu'aujourd'hui, même si c'est dans une déclaration de biens, quand un ministre, il ment, il cache certains biens, lorsque ça se découvre, il va payer, il va s'assumer. Et chez nous, est-ce que c'est le cas Souli Abdoulaye, beaucoup pensent encore qu'avec la fin du franc CFA, c'est une euh, page de l'histoire euh, qui se tourne 60 ans après les indépendances africaines. Comment l'expliquer Je ne pense pas qu'avec la fin du franc CFA, c'est une page de l'histoire qui se tourne. La page de l'histoire, c'est quoi d'abord C'est quoi l'histoire L'histoire, c'est le caractère dominatif, n'est-ce pas, de la France sur les pays donc, euh, qui utilisent les francs CFA. Ces colonies. Donc, c'est ça, hein, c'est ça l'histoire. Or, on vient de développer dans tous les débats que nous avons faits du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un changement particulier. Je vais vous lire toujours dans le document qui a été fait, n'est-ce pas On a dit au niveau de, donc, de l'annexe de ce document-là, les paramètres économiques fondamentaux que sont la parité fixe avec l'euro et la garantie de la France sont-ils remis en cause pour cette réforme Et on donne la réponse. La réforme ne remet pas en cause la parité fixe avec l'euro et la garantie de la France. L'adaptation de la nouvelle monnaie unique par tous les pays de la CDAO pourra amener le moment venu d'autres évolutions. Donc, nous sommes toujours au point zéro. Aucun changement. Aujourd'hui, nous n'avons pas nous n'aurons pas d'abord notre politique monétaire, ce qui est souhaitable d'avoir. Nous n'aurons pas nos réserves qui nous empêchent d'évoluer parce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez vraiment l'idée de ce que ça représente. Quand le Niger exporte pour un million de dollars à l'étranger, au lieu que le 1 million de dollars rentre au Niger, 500 millions de dollars doivent aller au trésor français et c'est les 500 millions de dollars qui rentrent chez nous. Et, et, les 500 millions de, dollars participent donc à la garantie du Niger par rapport à, donc, à la chose. Euh, et, et la France dit que c'est elle qui garantit. C'est notre argent qui garantit. Et pire encore, dans cet argent-là, la France, elle, elle, elle, le place au niveau des, des, des choses, du marché international, des capitaux. Nous n'avons pas les bénéfices sur ça. La France nous donne des, crédits, des prêts, comme vous entendez des crédits de la, F, C'est dans cet argent. Ce n'est pas de l'argent que la France crée quelque part. Ah, c'est dans cet argent que nous avons que la France prête. Ou elle nous donne euh, euh, des prêts, ou elle nous dit que c'est des, dons. Mais c'est toujours dans notre argent. Et personne ne vérifie aujourd'hui combien nous avons. C'est elle qui fait ce qu'elle veut. C'est ce qu'on dit, dit à Hausa. Euh, daka, daka, chika, daka. C'est elle qui connaît ceux qui rentrent, c'est eux qui connaissent, qui sortent, c'est eux qui connaissent, qui a présentement dans le compte là. Vous voyez bien. Donc, il n'y a, il y a aucun changement, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucun élément de satisfaction dans cette affaire-là. Alors, Soli Abdoulaye, quelles sont euh, les attentes des populations des pays membres de l'UMOA Les attentes des populations des pays membres de l'UMOA, c'est de continuer cet élan, n'est-ce pas, de lutte, de conscientisation des gens pour qu'on dise à la France, vraiment trop, c'est trop comme l'a dit tout à l'heure euh, euh, le oui, la France, et vous le savez aussi, il n'y a pas longtemps de cela, les dires exceptionnels ou vraiment inattendus du ministre italien des Affaires étrangères qui a montré que si ce n'est pas les pays africains, n'est-ce pas, les, pays africains qui utilisent le franc, c'est pas la France de sa place de troisième ou je sais pas quelle euh, en Europe de puissance économique va revenir à la sixième ou la septième place. Ça veut dire que c'est nous qui faisons la France. Et comme dit Sita, c'est vrai, la France, c'est à son corps défendant. Elle ne peut pas accepter comme ça, à, tout bonnement, vraiment tout cuit, qu'on lui arrache ce, pouvoir économique. Parce qu'en lui arrachant ce pouvoir économique, c'est qu'elle a Et elle, est prête à faire de, de, de tout bois pour que ça ne soit pas. Comme, comme il a dit, c'est un problème de leadership. Il faut que nos dirigeants acceptent de mourir. Il faut que nos dirigeants acceptent de souffrir n'est-ce pas Mais qu'il fasse un pas dans l'objectif qui est fixé, n'est-ce pas Par rapport à la monnaie unique de la CDAO. Voilà, par rapport, par rapport à tout ce qui est l'aspiration des peuples africains. Il faut que quand vous venez, vous, vous mettez votre empreinte sur le jalon qui est donc poursuivi. Et en cela, même si vous disparaissez, l'histoire retiendra et ce n'est pas rien, ça va continuer. Ce que vous avez fait là, on va continuer sur ça pour avancer. Moussoul cita, la création de la monnaie unique euh, de la CDAO peut-elle être une réponse ou un déclic vers l'attente de la souveraineté des États en Afrique de l'Ouest C'était la finalité recherchée à travers ce dynamisme donc <coughs> de, la monnaie éco. Aujourd'hui, la question n'est plus à ce niveau parce que eh, vraiment il ne faut pas se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, le projet éco-CDAO euh, ne peut pas voir le jour comme une baguette magique. Ça, il faut, moi, non, ça, je, moi, ça, je vous le dis parce qu'il y a une méfiance. Aujourd'hui, le Ghana ne peut plus se hasarder à, perdre son temps dans des, dans des réunions inutiles et le Nigeria encore plus. Maintenant, ce qui, qui compte, pour moi, ce n'est plus l'affaire des coins. Aujourd'hui, c'est vraiment que nos États, surtout les pays francophones, essayer de revenir sur l'orthodoxie de gestion, de la gouvernance tout court. Une fois que les gens reviennent sur l'orthodoxie, avoir un peu un esprit nationaliste et patriotique. Mais est-ce que c'est facile dans ce contexte actuel Non, c'est en fait c'est facile parce que l'a dit, c'est une question de leadership. Parce qu'il suffit de savoir d'où on vient. C'est tout. Mais lorsque vous estimez que, bon, vous êtes euh, dépendant, c'est la France qui vous a amené, que vous êtes là pour travailler pour la France, et là, vous êtes un traître. Donc c'est pour ça que ce que nous nous disons, nous avons et nous allons souhaiter que pour la plupart des pays africains, que en tout cas pour l'avenir, pour leur développement, pour répondre véritablement aux attentes, qu'on ait des leaders nationalistes qui sont porteurs de nos valeurs socioculturelles. C'est pour ça qu'on dit savoir d'où on vient. Ça veut dire lorsque vous êtes porteur de valeurs socioculturelles de votre terroir, ça veut dire que sur cette base-là, ce serait très difficile que vous vous compromettiez pour l'intérêt de l'autre. Et la preuve, hein, que, quoi que les gens puissent dire, on a vu dans ce pays, à travers l'histoire, à travers certains dirigeants, comment les gens ont bataillé pour amener la France à venir ici. À venir ici. Vous voyez bien, on a vu euh, le cas de Tanja, on a vu le cas de Kunti. il, il a fait partir les bases militaires françaises pour donner la fierté à l'armée nationale, de sécuriser le pays. Vous voyez bien, rien que si vous prenez le volet sécurité pour prendre ces, deux, ces, deux personnalités, ces deux hommes qui ont fait quand même l'histoire. Et, je pense que même si tu n'aimais pas, même si la personne n'aime pas Tanja, ça a été une fierté pour tout Nigérien de voir que le président a imposé au président français de venir au Niger en pleine chaleur pour signer et un projet. Aujourd'hui, le projet, même là, il est où Vous avez vu, par manque de leadership, les gens sont venus, ils ont trouvé des astuces, ils ont même annulé, ils ont même fermé. C'est pour ça que je dis, vraiment, si on veut être honnête et objectif avec nous-mêmes, cessons de faire le procès du colonisateur. Si on veut avancer. Le problème de nos développements n'est plus vraiment le problème du colonisateur, même si on a un colonisateur têtu qui pense que dans tous les cas sa survie dépend de nous, mais il suffit d'avoir l'intelligence par nous-mêmes aussi, de trouver les mécanismes et les moyens de le contourner autrement. Et surtout que nous, nous avons cette chance. La chance aujourd'hui, c'est quoi C'est la coopération multilatérale. Aujourd'hui, avec l'émergence de la Chine, avec l'émergence de la Turquie et d'autres pays, vous avez vu que les opportunités sont devenues tellement. Qu'est-ce qui, vous, expliquait et qu'est-ce qui justifiait la production du pétrole par le Niger Qu'est-ce qui justifiait le fait que le président français n'avait pas eu le choix que de venir signer le contrat d'Imouraren C'est parce que il sait que le jour-là, s'il ne vient pas au Niger, Imouraren tomberait certainement dans, le, dans les mains d'autres partenaires nigériens. Et c'est ça la responsabilité. Et c'est ça la, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs plus d'opportunités de nous affranchir de ce joug qu'hier. Mais tout ce qui nous manque, c'est vraiment les hommes à la hauteur de cette responsabilité et de cette tâche qui nous manque pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, je dis, quand vous avez plusieurs offres sur la table, là, vous avez, ça veut dire qu'au moins des marges de manœuvre. Vous voyez bien. Mais malheureusement, on a quand même euh, eu le, euh, comme on dit, la malchance pour l'instant, quand même, d'avoir des gens qui ne jurent que par la France et qui ne sont là que pour répondre aux beaux yeux des Français et dans leur intérêt et malheureusement pas dans le nôtre. Et c'est ce qui justifiait l'acte de Ouattara qu'il a fait parce que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui se, sent, qui se sent tellement redevable de la France par rapport à là où il est. Donc aujourd'hui, même si toute la Côte d'Ivoire, l'UMOA doit disparaître, euh, en tout cas au, profit de la France, il, il, est prêt à le faire. Donc malheureusement, on est dans ce schéma-là. Euh, Souli Abdoulaye, quels sont maintenant vos conseils, recommandations euh, ou propositions de solutions pour une pleine et entière indépendance économique des États en Afrique Alors, je ne sais pas si, après ce que Sita a dit, je vais dire quelque chose. Tous les problèmes se trouve effectivement au niveau de la gouvernance. Mais après l'IOMOA, il y a quand même euh, le CEMAC. Oui, euh, vous savez, euh, d'abord, ça c'est le fait qu'il y ait l'IOMOA, qui est CEMAC, c'était aussi une autre astuce, n'est-ce pas, du colonisateur qui a utilisé l'adage qui dit diviser pour mieux régner. Sinon, pourquoi on ne veut pas avoir le même franc CFA pour, pour même toute l'Afrique Mais vous avez vu, tellement qu'ils sont méchants tellement qu'ils sont intelligents, tellement qu'ils sont stratégiques. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il y a deux francs. Mais l'autre, il est franc de l'Afrique centrale, celui-là, il est franc de l'Afrique de l'Ouest. La frontière avec le, le Tchad et le, et le, Niger, il faut. C'est-à-dire, cette différence de monnaie fait que vous, êtes perturbé en tant, en tant euh, qu'entrepreneur, en tant que population qui doivent échanger. Donc, ça, c'est une astuce qui a été faite par le colonisateur pour que, effectivement, cette monnaie ne soit pas parce que euh, euh, c'est pour diviser. Maintenant, je disais que si euh, Sita a tout dit. Notre problème, c'est un problème de leadership, de gouvernance. Et c'est exprès d'ailleurs. Cette gouvernance que vous voyez, que la, France ne dénonce pas, parce que ça arrange la France. C'est parce que à travers toutes les manigances, toutes les, les gaffes que nos chefs d'État posent, la France, elle ferme les yeux et elles regardent. Parce que tout simplement, ils savent que en le faisant, ça, nous retarde. En nous retardant, ça, donne plus d'emprise à la France par rapport à tout ce qui est notre économie, tout ce qui est notre développement. C'est pour cela qu'ils voient, quand les chefs d'État transfèrent de l'argent chez eux, ils ne disent pas mot. Pourtant, ils, ils sont capables, un chef d'État est capable de transférer un milliard, n'est-ce pas, en France, dans un compte bancaire dont la France a connaissance, mais la France accepte aussi que ce chef d'État quémande 500 millions pour nous pour faire telle ou telle case de santé, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment une mafia internationale qui est là, où il faut des gens qui sont des leaders, qui, sont, qui, aiment l'Afrique, dont il vient de donner l'exemple du chef d'État euh, euh, Tanja, qui a montré ses preuves. Donc, espérons que nous ayons des chefs d'État comme Tanja, en tout cas, euh, dans le futur pour le pays. Monsieur si rapidement, en, en 30 secondes, euh, quelles sont vos propositions de solutions Non, moi, je pense que vraiment la proposition de solution que je pense faire, c'est que euh, <coughs> on ait, l'esprit de responsabilité, d'éducation civique et des hommes vraiment patriotiques et nationalistes qui seraient capables de prendre en charge la destinée de nos États pour le bonheur de, tout le monde. Vraiment, c'est ce que nous allons souhaiter et peut-être avec ça, euh, les attentes des populations seraient quand même euh, espérées et puis chacun de nous trouvera son compte dans l'esprit du développement de nos États. Mais ce sont, encore une fois, de continuer à faire le procès du colonisateur et que le problème du développement de l'Afrique n'est pas seulement celui du franc CFA, mais c'est une question de gouvernance démocratique et dans l'orthodoxie de gestion. Nous sommes au terme de ce forum euh, de studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Soli Abdullahi, économiste, et Moussilmi Malansita, euh, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 45 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. Merci au revoir.